sur le fleuve euh, ñu ngi dox ci loolu depuis 19 2006 euh, donc depuis 2006 ay écrivains ay artistes plasticiens ay intellectuels ay journalistes parce que si suñu mbir amna ay journalistes yu ci bok ñu ngi comme ni may wax tatane waye buñu nous dépassé tatan aussi ñu ngi jéem set di jëf

mun na nekk bâtiment te peut-être bati xeer bi duñ ko gis waaye bâtiment bi dinañ ko gis donc thème bi ñu jël ren mooy écologie et transmission mooy li ñu wër te mu nekk wàllu gàncax wàllu lépp loo xam ne moo ñuy dimbale ñu mun a dund dund ci anam bu rafet te yàlla teg ko suñu loxo nan la ñuy def ba mun na tax mu gën a meññ ndax défi bi du question ñëw rek jëriñoo défi bi mooy

te nga xam ne ñun ñëpp dañ ko war a def ñun ñëpp en tant que citoyen ñu bañ a seet fan la ñu jugee fan la ñu bokk ak ndax ñun ñëpp ci benn endroit lañ bokk mooy Sénégal donc Sénégal moo ñu tax a jug Sénégal moo tax ñuy xeex te Sénégal bu béggee it ñu nit ñu bég bu Sénégal naqaree it ñu nit ñu yëg ko voilà. Je m'appelle Abdourahmane Diallo. Euh, je viens de Kolda. Je suis le président euh, du Cercle des écrivains de Kolda, mais je suis là euh, pour euh, la représentation, la délégation qui a été conduite par notre professeur Sadik Sal au, nom de la commune de Kolda que préside le maire Elage Mamadou du Mamboui. Cette année 2022, la ville de Kolda est la ville invitée d'honneur des RSF de Mme Sofna Benga. Oui. Oui, euh, déjà, euh, depuis quelques jours, euh, les artistes de Kolda sont venus et ils sont en train de faire des prestations dans le domaine théâtral, mais dans le domaine également de la tradition Peul du Fouladou, surtout le violon, il y a un groupe qui est déjà là. Parallèlement, ce matin, moi-même je suis professeur de français et écrivain, je me suis rendu au lycée, de, au lycée Tcherno Omar, Omar où il y avait une conférence littéraire avec les élèves du lycée. J'ai parlé de ce pan de la littérature sénégalaise que représente la littérature coldoise, comment elle est née, comment elle a grandi, comment elle s'est développée jusque-là. Pour Kolda, euh, il est évident qu'il y a, c'est une femme euh, qui reste attachée à la tradition, à la culture, à l'image de la maman de notre ancien roi, le roi Moussa Molo Baldé, sa maman qui s'appelle Kumba Baldé, qui est restée une femme euh, exemplaire. C'est d'ailleurs pourquoi elle a eu cet enfant, parce que l'âge Omar euh, dans l'histoire, est passé. Elle a rencontré euh, Kumba Balde, qui est la future maman de Moussa Molo. Elle a dit, euh, il a dit à la maman, je vais prier pour toi. Demain, tu mettras au monde un garçon qui va porter le nom du prophète Moussa. Il sera demain un très grand roi. C'est ce qui est devenu le roi Moussa Molo Balde. Donc, parce que cette femme, elle était digne, elle était grande, elle était patiente, elle a eu cette chance. Euh, euh, oui, euh, le message, c'est d'abord, comme l'a dit Mme Sofna Benga, à travers la transmission. Nous avons le devoir, nous les Africains, de transmettre notre histoire, notre valeur, pour que demain, dans ce monde du XXIe siècle, que la culture africaine puisse être vivante comme c'est le cas aujourd'hui, de cette transmission de la culture sénégalaise dont nous sommes, vraiment fiers.